Wiburudangi, iye iye he na yeah. mai iko, wiburudangi, dangi basi da tsoro, wiburudangi, ga na mata uta uta, kamar maza mata kamar wiburudangi. Iye iye he na, Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Nourat du collectif Son Niger s'exprime. Vous vous rappelez certainement de Nourat. Elle était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss euh, Rim. Nous avions évoqué la carrière artistique mouratique. Elle a commencé en 2015 pour rappel. Elle a évolué au sein d'un collectif Plume du Sahel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre collectif au sein duquel Nourat évolue. Soniger. On vous l'a déjà dit hier, nous, nous avons une fois reçu ce collectif sur l'artiste s'exprime, ils nous ont parlé de paix. Parce que sans paix, nous ne serons pas ici à présenter cette rubrique. Nous la machine te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Comment tu vas Ça va très bien. Eh, hey, Noura, dis-moi que tu pètes la forme. Yeah. Tu es artiste islamiste, tu as tenté avec euh, le chant. <laughs> Euh, à la petite, ou je ne sais pas qui est-ce qui a la petite, de dire que tu dégames, tu chantes faux. C'est ça Ouais, Mais tu t'es quand même très bien débrouillé. En tout cas parce que le slam et le chant, ça fait deux choses. Mourad, cette deuxième partie de la rubrique L'artiste s'exprime, hein. là, nous allons parler du collectif euh, Soniger. Mhm. Qui ce que tu représentes au sein du collectif euh, Soniger, c'est un collectif de huit filles, artistes. Je suis la chargée de com. Tu es la chargée de com au sein du collectif Soniger après la chanson sur les élections apaisées, Nourat, nous vous êtes revenu en force avec une nouvelle vidéo sortie il y a à peine une semaine. Parle-nous de cette vidéo et pourquoi l'avoir produite. D'accord. Euh, la nouvelle vidéo s'intitule euh, Dangi. Oui. Ça veut dire quoi Dangi Dame de fer. Dame de fer. C'est une chanson que nous avons dédiée à toutes ces femmes battantes du Niger. À toutes ces femmes qui se lèvent tôt pour que le développement du Niger puisse euh, progresser. Mhm. À toutes ces femmes qui, dans leur famille, sont des vraies, vraies, vraies battantes. Mhm. Alors, on vous dédie cette chanson. Et comme mars, c'est le mois de la femme, mhm. Nous avons voulu euh, lancer le son le, 8 mars. Vous avez pensé aux dames qui pilent le mille en zone rurale, qui puissent de l'eau au puits qui portent l'enfant au dos, qui mhm. aussi euh, supportent supporte d'une manière ou d'une autre la famille. Je parle de la femme rurale. Oui. Super. On pensait que le collectif Soniger s'était formé uniquement pour appeler les Nigériens et Nigériennes à la paix à travers une chanson mais on vous découvre avec une deuxième chanson et comme le dit l'adage, jamais 203. Est-ce qu'à dire que vous continuez carrément sur un projet musical sur le long terme ou bien Neme Noarangai Ici Gaïneome. Sonija, c'est une carrière musicale. Ok. Et là, on est, on est en train de préparer notre premier album. Ok. Huit filles, un seul album wi On a sons, le troisième est déjà en studio. Wi-Fi, huit régions, huit langues, un album. Super. Vous êtes définis une fois comme étant des agents de développement Nourat. Mm-hmm. Quelle action concrètement le collectif So Niger envisage de poser alors pour les Nigériens D'accord. D'abord, nous avons commencé par euh, une campagne. Une campagne. Sur, les, des élections apaisées. Sur des élections apaisées. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous avons décidé de chanter sur tous les, les mots qui gangrènent le Niger. Tout simplement simplement. et paix, sécurité femmes. Et après ça, il y aura aussi des actions sur, sur le terrain. Des campagnes de sensibilisation, des dons de sang, des salubrités. En tout cas, 2021 sera mouvementé jusqu'en 2022. J'aime bien ce terme. 2021 sera mouvementé. On a eu une idée quand même de la chanson. Nous sommes donc à la fin de la rubrique. Mhm. Un message à l'endroit de toutes les femmes. C'est la semaine de la femme ou le mois de la femme. Alors, Mourat, toutes les femmes du Niger sont scotchées et elles t'écoutent. Vous êtes des reines. Vous êtes vraiment des reines. Le développement du Niger passe par vous. Vous êtes des femmes battantes. Vous êtes le pilier de la famille. Alors ne baissez jamais les bras, peu importe le domaine. Tu es femme, crois en toi, parce que son Niger croit en toi. Ami Farahan, Dandy. Dandy. Mustafa é o 5. Né?